asalaamaaleykum mbokki mbuur dinañu wax ne weddi gis bokku ci monsieur président mosier Macky Sall suñu candidat yaakaar naa ne li nga gis fii ci mbuur war dal sa xel wax ji mooy wax ji mooy

monsieur le président nous avons confirmé, avec la jeune équipe avec laquelle je travaille nous le faisons dans une parfaite cohésion parce que nous savons que nous avons en commun le candidat le plus présidentialable, le plus présidentiable parce qu'il ne suffit pas d'être candidat pour être présidentiable. Je consacre quelques moments de mon temps à les regarder passer le soir, aussi bien sur le terrain, il n'y a pas photo, les forces sont inégales. Et lorsqu'on les voit défiler le soir, parce que cette minutes c'est beaucoup, lui donner un contenu, lui donner un sens, lui donner un parti, avoir un discours structuré, c'est pas donné à tout le monde. Et chaque soir, Macky Sall prouve que c'est le meilleur candidat pour le pays, c'est le meilleur candidat pour la région, c'est pour le meilleur candidat pour le leadership de l'Afrique. les les quelques jours qui viennent, sont des jours déterminants. C'est ce qui reste dans l'imaginaire des gens. Partout, il faut que la main passe et repasse pour que le 24 février, à 18h, que Macky Sall soit élu président de la République avec une majorité supérieure à 65% qui était la majorité qu'il avait au deuxième tour la dernière fois, je vous remercie.